alaikum, chers amis internautes bonsoir le bonjour ça dépend de l'endroit où vous avez actualité oblige qu'en 2022 comme je vous l'avais dit la fois passée nous dinañu a si un ancien footballeur un ancien international ou peut-être un passionné de football parce que le domaine qui est il faut que nous dem fekk ñi nga maîtriser domaine pour mën ci wax ñi nous le ne père maa ngi lay ziar. ñu ngi ngi si jàmm. maa ngi sant bu wér. waaye père ñu ñëwoon seet si la tey bëgg waxtaanee actualité CAN 2022 sport football mais avant ñuy dugg ci loolu noonu ah, ñu jéem a waxtaan tuuti rek ci parcours bi ak vécu sportif bi nga xamante ni ki nii am nga ko. voilà man euh, passionné du football la euh, football naa. pas au haut niveau comme les autres mais Juna, Juna Nametan, Juna de après je suis devenu entraîneur de football je suis titulaire d'un diplôme de deuxième degré de football depuis 89 avec les Alassane Dia feu Alassane Dia Sar, Dembara Mata même même pied en 1989 à Thiès au SNEPS de Thiès. Ablaye ancien coach. Ancien, ancien, coach de, l'équipe nationale du Sénégal. Alassane Diak, qui était le directeur technique de Tenguet FC. C'est des gens avec qui quand même j'ai bourlingué pendant un certain temps. D'accord. L'équipe père, nous savons euh, d'abord dans un premier temps, foot local. Nous avons au Sénégal avec les championnats et tout. Voilà crois que dans le foot, le, euh, pour ce qui concerne là, le foot local, bon, moi de temps en temps dans cette année, il y a un moment où vraiment j'étais complètement déconnecté parce que dans cette année, mais je me rendais compte d'al que bon li ma xam li ma bëgg li ma ci football bëgg ko ci football là où ko gis ce fait j'étais toujours bu ma demee terrain toujours damay mer parce que ma fi gis yoo xam si ah, je me dis que est-ce que les gens travaillent les nga dans le foot par exemple là, exactement. une équipe il faut nous structurer ko bon les structures là nous les mettre en place nous les animer parce que quand on le ballon le football soit da a le ballon, son objectif est de le ci tant que le ko ci camp sa action offensive barre ce qu'on appelle les, les actions significatives d'attaque ah, action significative il faut que d'autres. pour nous par exemple euh, sa action offensive aboutir ou bien tu n'as pas le ballon tu organiser pour le récupérer ah, malheureusement dans les terrains je vois que d'abord on ne marque pas de but enfin je peux me tromper une bonne fois mais je me dis que les actuellement les équipes elles jouent pour ne pas perdre. Alors que moi, de mon temps, quand j'étais entraîneur, quand je jouais, même quand je jouais au football, quand je jouais, c'est pour gagner. C'est pour gagner. Donc vous prenez pour le foot euh, Pour le foot offensif. Quand on a le ballon, sa seule préoccupation, c'est d'aller tirer au but. Parce que euh, les tirs au but là, moi, finalité, toutes ces actions-là, actions collectives ou individuelles, les dribbles, les contrôles, les passes, tout ça, d'avoir aboutir à un tir au but mais vous faites que vous avez jël que vous avez dit ko bon man dama football c'est un spectacle c'est un jeu d'abord ensuite un spectacle parce que nous avons fait une chaîne de séance pour di gis quoi nous pour xool du spectacle di content. man non la, en tout cas c'est ma philosophie du football toutes les équipes que j'ai eu à entraîner xëy na ñi may ñi may gis ma xam ma mais moi, je, fais toujours du beau jeu et, je gagne en général. Donc, moi, c'est ma philosophie. Donc, on peut dire que le foot, c'est l'intelligence en mouvement. Bien sûr, bien sûr, Celui qui n'est pas intelligent, il ne peut pas être un bon footballeur. Ça, on est sûr. Parce que le ballon, le jeu est là, tu dois réfléchir. Quand tu n'as pas le ballon, tu dois réfléchir pour, voir les, pour trouver les voies et moyens pour euh, faire échouer le porteur du ballon, l'équipe qui a le ballon. Donc, il faut réfléchir. Euh, quand tu l'as aussi, il faut réfléchir pour voir comment faire pour la l'amener devant par des schémas. Par des schémas. Moi, je vois rarement dans, notre football-là des schémas qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent dans le jeu. Ah, ce qui veut dire que, bon, à mon sens, à l'entraînement, bon, ça ne se fait pas. On ne met pas en place des structures de jeu qui vous amènent à mettre le ballon au fond. Chaque joueur prend le ballon, il fait son petit numéro, il donne à l'autre, Mais il n'y a pas tellement de schémas d'animation dans des schémas de jeu qui, vous, qui aboutissent sur le tir au but. Donc, est-ce cela veut-il dire que on manque d'entraîneurs techniciens ou on a plus des, entraîneurs tacticiens alors Ce n'est pas, pas des problèmes techniques ou tactiques, c'est des problèmes de choix. actuellement, je me dis que on est, les entraîneurs ou bien les, joueurs sont les entraîneurs d'ailleurs, parce que je me dis qu'ils sont frileux quelque part. Parce que tous, ils pensent à leur poste. Parce qu'ici aussi au Sénégal, c'est compliqué. Hein. Tu vas, on te donne une équipe, on ne te donne pas les moyens, on te demande de gagner. Si tu ne gagnes pas un match, deux matchs, on te licencie. Au Sénégal, c'est comme ça. Ce qui fait que les entraîneurs aussi, <laughs> ils sont là pour ne pas perdre les matchs ils travaillent dans le sens pour, pour durer, dans, pour, pour, pour, sauver leur poste. Et maintenant, c'est ce qui fait que maintenant, on, dénature le jeu, on n'est pas content quand on les regarde jouer. Sur le plan technique, ça laisse à désirer. Sur le plan tactique, même chose. Alors, ce qui fait que, bon, vous, je ne sais pas, mais si vous, vous fréquentez les stades, maintenant, il y a un léger mieux, hein. Il y a un léger mieux maintenant. Mais il y a deux ans ou trois ans avant, hein, ben, tu vas au terrain, en général, euh, euh, tu, retournes à la maison vraiment avec un sentiment de, goût d'inachevé. Tu n'as trouvé aucun plaisir dans le spectacle que tu vas, que voir au stade. Donc, si je, comprends bien, coach, nous pour nous entraîner l'équipe, d'abord, nous devons mettre dans le confort et à l'aise. Bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est d'abord des moyens c'est d'abord des moyens. Si, l'entraîneur n'a pas les moyens, il ne pourra jamais faire un travail efficient. Et en général, bon, il n'y a pas les moyens qui suivent dans notre football-là. On n'a pas de terrain d'entraînement. Comment voulez-vous faire du beaux spectacles sur des terrains rocaillés, là, hein, sur, des, sur qui laisse à désirer euh, Jouer au football, cela suppose bon, faire ça sur un terrain qui sied, qui te permet de, de t'exprimer normalement. Hein. Mais si tu viens dans un terrain où le gazon sale, eh, quelquefois même vous ne vous entraînez même pas sur le gazon. Les équipes-là ne s'entraînent même pas sur le gazon. Ils s'entraînent sur du sable et ensuite ils compétir sur le gazon. Vous voyez la contradiction, le contraste qu'il y a. Ah. Un joueur qui s'entraîne en gens sur un terrain rocailleux, ce qu'on appelle le cran, parce que gagne amna certains gestes yi nga xam du def parce que à l'entraînement. du def parce que l'entraînement, c'est un morceau du match ce que tu fais à l'entraînement, mom un indi ci match bi que jàng deful entraînement doo def ci match C'est pas possible. juste une sorte de répétition. voilà on te prépare pour faire ça maintenant ce que tu as l'habitude de faire à l'entraînement en général tu viens au terrain c'est ce que tu vas faire. D'accord. On dit que l'entraînement, c'est un morceau du match. Ce n'est pas le match, mais c'est un morceau du match. D'accord. Maintenant, quelles doivent être les solutions par rapport à des infrastructures Il faut mettre en place des, les, infrastructures ici. Parce que ça, a, toujours été mon problème. Moi, euh, j'ai été, responsable départemental du football scolaire et universitaire ici à Pékin-Guédiawaye de 1983 en 1994. Je suis un enseignant de profession, instituteur de profession. Après le diplôme du premier degré, on m'a mis à la disposition du ministère de la Jeunesse et Sport. À l'époque, c'était un, secrétariat d'État avec François Bopp. C'est en ce moment-là où j'ai été mis à la disposition du ministère de la Jeunesse et je m'occupais du sport scolaire et universitaire. Et c'est un, en tout cas, c'est euh, une structure que j'ai animée à son temps. Euh, et les résultats ont suivi. Il y a beaucoup de champions là qu'on a connus dans les temps, hein, alors qui sont issus de, ces, ce sport scolaire et universitaire là. Maintenant, tout est maintenant, pratiquement l'UASU ne fonctionne plus. Euh, l'école ne produit plus de talents comme, comme, comme, dans le temps, comme avant. Euh, ce qui fait que donc l'école qui était un grenier pour les, pour, les sportifs ne l'est plus parce qu'il n'y a plus d'éducation physique, etc. je rappelle que vous avez eu à entraîner les niais de Pekin aussi, actuellement à Pékin. À Pékin, oui. J'ai eu à entraîner les niais de 1983 83 à 89. De 83 à 89. Quand j'ai quitté 89 pour aller, j'ai, ai, quand j'allais faire le, stage de deuxième degré en 89, c'est à partir des Niaï. Ce sont les Niaï qui m'avaient proposé pour que j'aille faire le, stage de, deuxième degré à Thiès avec les Alsandia, Dembaramata, Ablaïsar, etc. J'ai entraîné les Niaï de Pékin. Alors après, en 89, quand je suis revenu de stage, euh, j'ai mis en place une autre structure euh, de football, le duo, le duo de Guédiawaye, alors euh, que j'ai mis en place pour jouer dans le championnat régional de Dakar à l'époque. Bon, après, il y a le GFC que j'ai entraîné. Je suis le premier entraîneur du GFC. Football Club. Football Club actuellement. Bon, c'est des questions, c'est des problèmes professionnels qui ont fait que je me suis retiré je me suis retiré parce que mon travail bon, ne me permettait plus. J'étais directeur d'école à l'époque. D'accord. Je rappelle que Nigini avec Lum, ancien footballeur, un passionné du foot. Père, l'actualité oblige. nous naa dañuy directement euh, ci Cannes 2022 Il yaa suivre. ah nous <laughs> ngeen ma mes may <laughs> effectivement. Nous yaa fait certains matchs match euh, euh, Gambie ak ak Mauritanie moi, le football, c'est mon passe-temps, quoi. C'est mon hobby, en quelque sorte. C'est ma passion. D'accord. Nous disons que le Sénégal mini feu euh, def na premier match lan moy impression par rapport au match que par rapport au Zimbabwe. Bon, d'abord, il faut souligner que nous n'avons pas joué avec tous nos moyens. nous avons des joueurs qui sont atteints de, de Covid, bon, d'autres qui sont blessés le coach Aliou euh, a, fait avec ce qu'il avait entre les mains. Bon, mais ce qui nous arrive là, ça n'arrive qu'au grand. Être dans des conditions extrêmement difficiles et gagner. Et ça, c'est ça l'essentiel. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié ça, bien que dans le jeu, ça n'a pas été du tout. Voilà, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui ont souligné. À lui, il a fait beaucoup de temps chez l'équipe nationale six ans il parvient même pas peut-être avec benn jeu c'est fluide. bon moi je crois que les responsables de notre football alors euh, je crois qu'ils compatissent à ça hein bon je crois qu'ils sont ils sont ils sont ils sont en quelque sorte euh, d'accord comment. parce que man en tout cas l'équipe équipe nationale du Sénégal depuis que je suis ça une demi coupe d'Afrique entraîneur de donc deux ans. qu'est-ce qui explique à ce depuis lors mu il il il gagne pas. il a il a fait ce que tous les autres faisaient. mais est-ce que à c'est vraiment réellement l'homme de la situation. enfin en tout cas pour nos dirigeants c'est l'homme de la situation pour nos dirigeants bon moi je n'ai. nos dirigeants à savoir la la fédération. Bien sûr, c'est la fédération qui l'a choisi à l'UCC. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre, c'est l'État qui paye à l'UCC, mais c'est la fédération qui l'a choisi. Nous avons une direction technique nationale. Cette direction technique nationale doit avoir la voix au chapitre quant au résultat de l'équipe nationale. On ne peut pas rester six ans dans une équipe et les plaintes sont les mêmes. Toujours, on ne joue pas. Toujours, on ne joue pas. Pourquoi on ne joue pas l'une, moi, je, je, je l'encourage, je n'ai rien contre lui. Mais je sais qu'il n'a pas ce vécu-là sur un banc de touche pour pas diriger l'équipe nationale. Ça, je le sais. Mais nous, avons dépassé le stade où il faut, il faut se qualifier à, la Coupe d'Afrique, en Coupe d'Afrique, ensuite aller en demi-finale ou en finale. Ah, c'est bon. Moi, d'accord. Moi, dans daan et ici au Sénégal non. là, da ngay nous ñu dajale joueurs nous ñu dem defal hôtel nous après jël gars yi gars yi le marabout taxaw après on va gagner la coupe d'Afrique. yomb moi je n'ai rien contre Alou, mais je sais que en tout cas s'il avait un encadrement beaucoup plus étoffé des gens qui ont le qui ont qui ont un vécu sur un banc entraîneur c'est l'expérience ou sur le banc entouré d'hommes expérimentés. qui puissent vous apporter quelque chose. Est-ce que vous avez le conseil Parce qu'à chaque fois, on voit des tiraillements, des gens mais c'est comme si que des têtu. Enfin, c'est lui le responsable. Hein. Le, dernier mot lui revient. Moi, j'ai une fois entendu son, son, son, son, son préparateur physique. Je l'ai une fois entendu dire quand c'était un match contre je ne sais pas le Japon je ne sais plus Maman hein? moment le gars son naturel était sur les gradins et lui il a vu le danger venir mais avant qu'il ne descende et c'est à lui qu'il avait demandé de monter sur les gradins avant qu'il n'ait le temps de descendre pour venir euh, euh, euh, lui, signaler la, le, mal était déjà fait. Donc moi je dis que tout cas il est responsable à 100% de ce qui se passe parce que c'est lui qui est payé, c'est lui qui a été choisi. Maintenant les responsables, les vétérans, ce sont les responsables du football, la fédération, la direction technique elle est là, elle doit veiller à ce que les choses se fassent normalement. Mais est-ce que à lui de cette direction technique là? C'est ça le problème, la grande interrogation. Maintenant équipe équipe et est-ce que dal na En tout cas ce qu'ils ont produit. Bon, je ne peux pas croire que, alors, ils vont reproduire ce qu'ils ont fait. Je ne pense pas, parce que les jours vont venir. Bon, nous n'avons que Sadio dans cette équipe-là, qui porte l'équipe. Et, enfin, ça, ça n'engage que moi. Sadio Mané n'est pas un meneur de jeu, selon moi. Non, du tout. Il n'est pas un meneur. Si on veut un électron libre moi, je ne suis pas d'accord. Les gens disent que l'eau nous manque. Ben métronome Bohamni, de tourner autour du milieu terrain pour alimenter les attaquants. Non, ça, il nous manque des meneurs de jeu. Dans une équipe, il faut qu'il y ait des meneurs de jeu. des meneurs, je ne parle pas un meneur, mais des, meneurs de jeu. Dans chaque ligne, il faut même un meneur. Il faut... Parce que Sayo, à Liverpool, comment il joue Il joue où Il y a un Liverpool. Il faut jouer il est à gauche, trois attaques. Il est, il est excentré. Il est extraordinaire quand il est excentré. Tous les problèmes qu'il pose à l'équipe adverse, c'est à partir d'une position excentrée. Mais pourquoi on veut alors vraiment le jeu sacrifier C'est le sacrifier. Parce que d'abord, il n'est pas habitué à agir à ce poste-là. Il risque de se blesser. Ensuite, il ne sera pas. Tous les buts que nous marquons, c'est sur des actions individuelles. c'est hein? des actions individuelles malheureusement, cette fois-ci, il est seul. On n'aurait pas. Ce pénalty-là, c'est un pénalty. Hein. C'est un penalty. Mais c'est un pénalty heureux. C'est un penalty heureux. Il n'y aurait pas eu ce pénalty-là, nous, nous, serons sortis du terrain avec un match nul 0-0. On a eu à avoir des, situations pour marquer des buts. Mais on n'a pas pu marquer. la, réussite, à ce moment-là. Beaucoup, beaucoup disent que aussi, euh, bu toogee ci l'entraîneur je veux dire ah, équipe contre ko sonal ko il peine à changer de système ou peut-être def ay remplaçant il l'a fait bon tardivement. bon c'est vrai que à mon sens je crois que yooyu yëpp le ko waral bon mënul nous euh, nous exploiter le potentiel qu'il a nous avons de très bons footballeurs dans cette équipe nationale là. Mais il faudrait les mettre à des postes où ils ont l'habitude de jouer. J'ai vu ici un match où on a mis un milieu, un écran défensif. Le gosse de Thiès là, comment il s'appelle Sar. On a fait un excentré droit. Vous vous rendez compte Il n'a jamais joué à ce poste-là. On vient, on le met là-bas. C'est pour le sacrifier. C'est une façon de le sacrifier. Enfin, moi, si j'étais l'entraîneur de l'équipe nationale, les joueurs que j'aurais à convoquer, je les mettrais à leur poste. à leur poste, au, poste où ils évoluent dans leur équipe. Parce que c'est des titulaires dans les, autres, dans les équipes européennes. Hein. Le latéral gauche de, de, FC, on l'a mis ici au terrain. C'est un local. Mais les gens ne donnent aucune chance à nos joueurs locaux. Alors qu'il y, a, y a dans la bonne graine ici. Il y a des gosses qui jouent très bien au football. On les aurait mis au sein de cette équipe nationale entourée de, de, pros, mais ils vont se débrouiller. D'accord. Hein? À l'époque, il y avait des CRF. 3, 4, 5. Mais, euh, euh, nous dit, euh, Roger Mendy, on l'a découvert ici au Sénégal, avant qu'il n'aille en Europe. Hein? Racine Khan, même chose kii Ndiaye Lamine Ndiaye il est là à la CIB hein? Boy Bandi il n'a jamais fait l'Europe quoi C'est Sega nous ñëpp nous ñëpp dañu ñëw am une équipe équipe bi demoon quatre-vingt ou 40 40. mais nous pratiquement fii lañ bokk fii lañ leen formé ñu jël leen jox leen confiance les entraîneurs d'antan font confiance yóbbu leen ñu jeunes mais pourquoi on ne peut pas voir les quelques rares joueurs là qui sont là qui sont bons qui peuvent nous rendre service dans l'équipe nous jël quoi confiance parce que le football d'abord le joueur il faut avoir confiance en lui mais si on ne leur fait pas confiance on fait confiance à ces à ces gens là qui sont en Europe et en genre monsieur Barry c'est des joueurs de devoir rarement qu'on voit des talentueux mais c'est des jeux de devoir Pourquoi xoolal suñu équipe nous ñan ñoo ciy toj Europe Nous xam ne vraiment les dons à Gana C'est le pur produit d'ici ah, il fait le tubaab euh, l'axe central il est il était blessé du Koulibaly le c'est là il est bon mais on ne lui fait pas confiance qui jouait Kerok dans l'axe là il n'est pas mauvais du tout mais on ne lui fait pas confiance on voit que l'entraîneur ne lui fait pas confiance et c'est comme ça passe. d'accord père euh, M. bi trop ça tire à sa fin. Jusqu'à peut-être nous voir le mot de la fin Et tamit conseil nga nous a joxe par rapport à l'équipe nationale bon le mot de la fin c'est en tout cas souhaiter que l'équipe nationale en tout cas remporte cette cette année ci au moins nous gagnons la coupe c'est tout mon souhait c'est tout le mal que je le souhaite c'est tout le mal que je le souhaite c'est qu'ils gagnent la coupe mais on ne peut pas s'arrêter au souhait il faut y mettre l'effort les techniciens sont là mais je crois qu'ils ont analysé la situation là la dernière situation bon c'est normal parce que tout cas ils n'ont pas eu toutes les forces hein. donc euh, il faudra donc euh, en tout cas essayer de réorganiser l'équipe avec les forces qui sont en place voir ce qui n'a pas été lors du premier match. Bon, le premier match toujours en, en Coupe d'Afrique, c'est compliqué, c'est pas facile. On a vu l'Algérie, on a vu l'Égypte c'est des. Égypte battue, Algérie tenue en échec. En échec. Et ça veut dire que le football évolue. Rien n'est définitif en matière de sport. Ah, il y a des équipes qui sont là. Là, Sierra Leone. Monopole, monopole Amatoul quoi. Non, non, non, monopole Amatoul fenn. gars y hol, gars yi dañuy football. et puis xam nga ñun li ñu gëna sonal mooy suñu joueurs yépp fële lañ nekk. fële lañ nekk gravirons les différents les différents échelons comme ni européens yi def U19 U20 dem euh, espoir ñëw antichambre équipe nationale kon ne le même groupe dem ba dem équipe nationale amuñu loolu ñun lu ko waral c'est parce que à la base ici xam nga c'est l'arbre qui cache la forêt l'équipe nationale c'est l'arbre qui cache la forêt suñu football bi pour mu développer il faut ñoom ñëpp jàpp si ci suuf ñu jéem a seet dan def pour soqali ko fii ci ba d'abord Bon, maintenant, il y a des talents qui peuvent s'expatrier. Mais en tout cas, une fois encore, bon, moi je crois que Aliou, en tout cas, il a tout le temps, en tout cas, d'analyser le match-là qu'on vient de jouer. Bon, d'évaluation, certes, qu'est-ce qui n'a pas marché et de maintenant remédier à, ces problèmes-là. Parce que problème, à équipe, match, am, nga constat, ah, il faut travailler pour remédier pour remédier c'est la remédiation lol football ak jàngalee yam élève jàngalee élèves jox leen exercice nga gis ni exercice bi kat ko à faire plus affaire bi doxul am na lu mu manqué classe ba da ngay remédier ni li ak li ak li amul donc li ak na naa le football aussi c'est comme ça il y a eu des problèmes euh, problèmes de rythme problèmes d'organisation des schémas d'attaque des organisations défensives oui, quoi mais c'est normal hein parce que man mais je crois que le Sénégal ne peut pas encore jouer aussi mal ça je, reste convaincu que le Sénégal ne peut pas encore jouer aussi mal que ce, marché match là. D'accord Père nous sommes lay vraiment di wax ne que peut être que nous avons di lu ñàkk de façon de plus large développer des détails, parce que nous savons ne xam-xam bi mi Hein, expérience bi mi ngi fi lépp lépp xaju ci émission bi nii waaw ñu ngi lay jaajëfal di leen wax rek chers euh, téléspectateurs hein, waa Fekh TV c'était Cisco votre Docteur Love pour en route vers la CAN I'm out